ñu ngi euh, nuyu ñëpp képp koo xam ne mi ñuy seetaan di euh, nuyu ñi nga xam ñoom lañ toogandool fii di nuyu presse bi di leen remercier ci teewaay bi euh, d' abord conférence de presse bi ñoo ko woolu woon ñi ko woolu bokk ci muy waa ñoo lànk ànd taxawu askan wi luttons contre l'indiscipline au Sénégal France dégage nitu deug valeur FDS ak Yanamar, Africa First ci lañ bokk ñu ñëpp gis nañ temps ni que population yi dañuy déposer ay demande pour manifester avertir les autorités, xamni moy autorité bi comme ni ñu ko yoon mais dañuy gis tout le temps y a une interdiction ay violence policière par-ci par-là donc pour ne pas trop retarder gën leen fi téye dañuy daal di jox parole bi ki nga xam ne mooy Mourtala Seck di représenté Noo Lank mu wax ci wolof bu ñu paree ñu jox ci ki nga xam ne mooy Ababacar Mbaye bu ànd taxawu askan wi Assalamualaikum warahmatullah rahmatullah mbokku presse bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci seen teewaay di sant it ñi fi teew mbooleem organisation bu dajaloo tey pour bisub general bi ngi di kolektif ñëpp may fàttale ni man la Mourtala Seck coordonnateur général du collectif ñoo lànk euh, comme ni sama naataango bi waxee rek li waral dajab bi dadi euh, ci bés yi weesu dañoo seetlu ni am na loo yoon ko may ñun en tant que ay waaye dañoo gis ni kat am na ci wàll wi muy nguuru Sénégal bu ne loolu ñun duñu ko fi defee bi jiitu mooy pour rappel euh, collectif euh, bi nga xamante ni ci laa bokk muy collectif ñoo lànk dafa déposé woon ab lettre ca jamono yële ca gannaaw ba mu seetloo ni askan wi dañoo yokk njëg yi te ba pare njëg yi ci boppam ba mu yokkoo am na leneen loo xamante ni mooy pour nga gis li nga war a jënd sax dafa raar ñu ne nag comme loolu am na nañu dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woolu ñi ci nekk ngir waxtaan ak ñoom ngir mën a am information bu wóor balaa ñoo dugg ci xeex bii nii taxoon nañu seeti képp association consumériste yi nekk Sénégal yëpp yu ci ëpp bokk waxtaan ak ñoom pour pour wax pour ñu wax ñu lii maanaam lu ko waral lan la ak problème bi fan la jóge bi ñu defee loolu ngir bañ ku ñu dut baaraam parce que bëgguñu di wax ñu ñuy dut baaraam ci li ñuy wax bi ñu dajalee suñu ay information ba pare ci lañ xamee ni nag jot na ñu jug taxaw non seulement ngir naqarlu yokk bi nga xamante ni état bi mi ngi ko yokk denrée yi waaye ngir naqarlu euh, ci boo demee ci koñ yi di nga gis kii di ke 600 kee jaayee 700 kee jaayee 800 loolu doon loo xamante loo xamante ni corps de contrôle bi war a def loolu détachement wu ministre du commerce la te gis nañu liggéey boobu amul. loolu ba mu amee ñu déposé lettre pour ajjuma ji weesu bi ñu demee ba ci alxamis ji la ñu préfet bi woo. bañal ñu ko ci lan lañu lañu ko bañalee ah ngir kat trouble à l'ordre public wala propagation du coronavirus ku ñu yàpp sport amul xanaa ndaje yi wara a am yëpp gisuñu ko muy am kon loolu taxawul te ñun ci suñu ñi nga xam ñoo ñoo yor suñu ay commission juridique démontré nañ démontré nañ loolu ba won ni ko ni loolu loolu mu décidé noonu tegu fenn ñu introduiraat pour wane suñu patriotisme wax ni kat bii wax nañ ñu dinañ introduiraat pour ajjuma bii di ñëw di 17 pour def mar grand rassemblement ci wàllum yokkute dund bi diggante rond point place de l'obélisque ba rond RTS ci diggante bi am suñu ay mbokk yoo xam dañ ñoo fekk si ci xeex bi comme mën naa koo lim ñi fi toog rek ñu àndandoo def conférence de presse ngir waajal aussi marche bu waroon a am démb te waa ànd taxawu Sénégal woote woon ko fële ca géejawaay loolu ci àdduna wërgël képp ku ne teg na ci sa bët ci xoqotal ku ne teg na ci sa bët ci jaay doole ku ne teg na ci ci sëmbaxloo boo xamante ni état bu Sénégal def na ko ci kaw ay citoyens yoo xamante ni dañoo jógoon tout simplement pour def seen devoir wala def li nga xamante ni yoon moo leen ko may ñuy naqarluwaat aussi ci yéex bi ñu yéex a yéex a yëg wala bi ñu yéex a informé sax loolu tamit problème la boo xamante ni dinañ ko wax au niveau des préfectures te loolu du yoon leneen li mooy bi ñu defee loolu ñu def ba pare jàpp suñu ay camarades saax saaxaa dóor leen mala mën naa ni sonal leen jàpp leen yóbbu leen tëj leen te fekk leen ci seen devoir loolu nag tax na force yi nga xamante ni ñoom ñoo fi dajaloo tey jii nga gis leen ñoom ñu jug xam ni kat lii jëmul kër xam ni kat kii bu nu ko bàyyee li mu nar a def moom wax dëgg yàlla mën naa bañ a arranger kenn moo waral suñu dajaloo bii tey comme ni ko sama naataangoo bii euh, limee muy ñoo lànk muy FRAPP muy FDS muy ànd taxaw Sénégal muy Africa First muy nitu dëgg des valeurs muy bépp organisation digne ci foofu may lancer un appel ci bépp organisation boo xam ne yaa ngi liggéeyal te njariñ Sénégal rek tax laa jóg ñu ngi lay woo ci lii di la wax ni ci mbooloo mi ci lañ mën a amee li nga xamante ni moom lañ bëgg gannaaw loolu nag ñuy fàttali ni naqarlu ci lañ jóge di naqarlu li état bu Sénégal def ak ñun di naqarlu état bu Sénégal xañ bi ñu xañ suñu dona suñu ay suñu ay droit waaye di di fàttali ni nag comme yoon jeexul waaxasul di jeex ajjuma bii di ñëw fekkoon na ñoo lank introduire ca bu ya ci ci ajjuma ji weesu

rond point place de l'obélisque ba rond RTS ñi ngi ciy woo Sénégalais yëpp parce que suñu droit la yoon moo ñu ko may marche pacifique la ñu woote xeexuñu xuloowuñu dóor bi ak xoqotal bi ak def lu dul yoon bi dafa dakk te incha allahu rabbi dina dakk bu neexee yàlla maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barki borom Bonjour tout le monde, bonjour la presse et bonjour à toutes les organisations ici présentes. L'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est Ababakar Mbaye, coordinateur du mouvement Ande Tahou Askanui, Tao. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer avec la dernière énergie, le fait que l'État du Sénégal exagère du fait de bafouer les droits des Sénégalais. Et nous lui signalons dès maintenant que nous continuerons à résister. Nous ne céderons jamais à l'intimidation jamais. Car ce qui s'est passé hier à Guédiouaï est indigne, inhumain. Inhumain, je dis. Si des citoyens essayent de respecter la loi, mais ceux qui doivent pratiquer le droit viennent bafouer le droit. L'autre fois, à Pékin, de simples citoyens qui manifestaient pour déplorer l'assassinat de Samba Sar. On va dire l'assassinat de Samba Sar par rapport à l'élection du président de la fédération de football simplement une manifestation pacifique. Ils leur ont interdit ça à 15 h 00 alors qu'ils devaient démarrer à 15 h 00 Est-ce que ça, c'est respecter son peuple Antaro Askanui, pour dire que c'est la deuxième fois que l'on nous interdit, notre manifestation. On avait prévu pour le 5 septembre. Ils l'ont interdit. Comme l'a dit mon camarade Murtala, étant de bons citoyens, étant des légalistes, on a introduit une autre lettre d'information. Encore une fois, la marche n'est pas quelque chose qu'on doit autoriser. Non, parce que c'est un droit constitutionnel. Ils nous ont interdit ça, on a réintroduit une autre lettre. Pour le 12, c'est-à-dire hier, à notre grande surprise, c'est à 8h45 minutes qu'ils nous ont signifié cette interdiction au moment où tous nos camarades et les populations riaient vers le point de départ. Mais avoir le dispositif qui était hier à Guédiawaye, moi je n'ai jamais vu ça. Même les réels, moi dans mon propre quartier où ça ne se situe même pas sur l'itinéraire, ils avaient amené là-bas des des, voitures policières dans mon propre quartier, alors que c'est à l'intérieur. Ça ne se situe même pas sur l'itinéraire. Ça veut dire quoi Ils essaient de nous intimider, mais ils oublient que nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais dignes. Nous ne reculerons jamais face à la vérité. Surtout pour combattre nos libertés. Nous dénonçons encore une fois la brutalisation, le kidnapping indigne qu'ils ont infligé à nos camarades hier. Mais ils, doivent savoir qu'il y a des milliers de Guimarães Il y a des milliers, il y a des milliers de Papis. Il y a des milliers de Fallou. Il y a des milliers de Simon. Il y a des milliers de Murtala, de Babaker et d'autres. Ce sont ces 14 millions de Sénégalais-là qui vont résister et continueront à résister jusqu'à ce que la liberté nous soit acquise. Maintenant, si vous voyez, tous ces mouvements-là sont là réunis en un seul bloc, ça signifie quelque chose. c'est pour leur montrer que c'est le Sénégal qui est là. C'est le Sénégal d'en bas qui est là. D'en bas, pourquoi D'en bas, pas parce que nous sommes en bas. Non, le peuple est en haut debout. Mais ces gens-là, nous, quoi que ça nous coûte, on va continuer à porter ce combat-là. Donc, ceci dit quoi Nous appelons tout le monde à la manifestation du 17, qui n'est pas une manifestation de Nyolang, ni de Atao ou de Frappe. C'est une manifestation du peuple c'est une manifestation des travailleurs et des travailleuses. C'est la manifestation des policiers qui essayaient de brutaliser hier nos camarades, même comme on, leur disait. Il n'y a pas un prix réservé de sac de riz réservé aux policiers, aux magistrats, ou bien à l'enseignant, ou bien au banabana qui est au coin de la rue. Non, nous tous sentons bien sûr la cherté de la vie de la vie, on dit, pas même plus des denrées. Car dans un pays où le transport est cher, l'eau est chère, l'électricité est chère, le riz est cher, le loyer est cher, le téléphone est cher, tout est cher. Comme je disais oh, l'autre fois, <laughs> peut-être d'autres diront que le café, la tasse de café bas coûte 50 francs. Même la tasse de café Touba est trop chère maintenant, car c'est une toute petite tasse maintenant. Qu'est-ce qui est donc accessible pour les Sénégalais. Rien du tout. Même le sachet de guerre ne coûte même plus à 25 francs. Ça coûte maintenant 50 francs. On va continuer comme ça Est-ce qu'on va continuer comme ça, camarades Donc nous disons oui à la résistance. Donc, nous appelons tout le monde, tout personne qui s'identifie à ce Sénégal, toute personne qui veut que l'être hum-, humain soit digne, digne je veux dire, qu'il nous retrouve le 17 à la place de l'obélisque, à la place de la nation. Et nous allons marcher pour aller jusqu'au rond-point de la RTS, à 15 h Donc, après cela, nous lançons la campagne manifestation faible manifestations partout, dans tous les 46 départements de ce pays. Nous appelons tous les citoyens et citoyennes de ce pays qui dénoncent cette flambée exagérée des prix, inconcevable, et cette dictature de Macky Sall. C'est seul le peuple qui va s'offrir sa liberté. Et seule la lutte libère. बोला voilà ñi ngi remercier ñëpp ci teewaay bi euh, di jégalu encore ci retard bi defe naa ne dégg nañ li nga xam mooy Mourtala Seck bu ñoolank wax fii li nga xamni ki nga xamni moy ababakar bu and taxawu askan wi wax donc présentement s'il y a des questions su fekke amna ñi nga xamni ni bëgg nañ laajte ay questions vous pouvez y aller maintenant euh, merci de donner votre nom et votre organe de presse aussi. Il n'y a pas de question hein? Merci beaucoup. Ok, on vous remercie, merci beaucoup. Merci.